mon quotidien d'aujourd'hui, jeudi 28 mars 2024. Thème louer simplement le Seigneur. louer simplement le Seigneur. Thèse lecture Psaume 118. somme 118. Lisons le verset 27 à 29. Psaume 118, 27 à 29. L'Éternel est mon Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je et je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset clé, c'est le verset 28. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Amen. Un médecin devenu missionnaire nous a fait part de son expérience de médecin. D'après ce propos, il avait un certain nombre de patients qui se plaignaient de leurs maux physiques. Il n'avait jamais une bonne opinion d'eux. Il pensait il passait d'une plainte à l'autre. Mais d'un autre côté, il avait aussi rencontré des patients qui remerciaient Dieu pour tous les aspects de leur vie, y compris les médicaments. Il a découvert que ces patients guérissaient plus rapidement que leurs homologues qui se plaignaient. C'est d'ailleurs au cours de cette enquête qu'il a été sauvé. C'est ce que souligne le psalmiste dans notre texte aujourd'hui. Dieu nous a montré la lumière du salut par son Fils unique, Jésus-Christ. Il est notre Dieu et nous devons le louer. Lorsque nous chantons les louanges de Dieu, que ce soit dans le cadre d'un culte commun ou d'un culte personnel, nous devons le faire en comprenant bien que il est sa grandeur, nous devons le faire en comprenant qui il est, sa grandeur et sa majesté, dont le royaume est éternel et s'étend sur toute la longueur et la largeur de l'univers. Beaucoup de gens savent comment demander et recevoir, mais ne savent pas comment monter leur reconnaissance. Pourtant, il y a de nombreuses choses pour laquelle, pour même lesquelles, vous devez être reconnaissant envers Dieu. Tout d'abord, Dieu vous a fait naître. Il a donné son Fils unique pour que votre âme ne soit pas perdue. Il vous protège jour et nuit. Il vous nourrit. Il vous habille. Il vous loge. Il m'aime vos combats. Il mène vos combats et vous guérit lorsque vous êtes malade. Amen. Aujourd'hui, et toujours, vous avez une raison de louer Dieu. Déplorez l'attitude de le louer. Et si vous ne le faites toujours, si vous le faites toujours, sa gloire et sa puissance révéleront dans vos circonstances. Amen. Seigneur, aide-moi, enseigne-moi à te louer, à te glorifier toujours, chaque moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. pensez du jour. louez Dieu pour ce qu'il est. louez Dieu pour tout ce qu'il est. louez Dieu pour ce qu'il est. Lecture biblique, c'est tout dans le livre de Néhémie chapitre 1 à 4. Néhémie chapitre 1 à 4. Néhémie chapitre 1 à 4. Amen.